Monsieur, dame, bonsoir. C'est l'heure du forum du studio Kalangu, une émission qui vous éclaire sur des sujets d'actualité. Le forum de ce soir a pour thème comment prévenir et gérer les dégâts causés par les girafes et les éléphants sur les productions agricoles à Balayara. Les girafes et les éléphants sont des espèces protégées au Niger. Ces dernières années, ces espèces euh, envahissent les cultures des populations voisines, ce qui rend la cohabitation entre les hommes et ces espèces difficile parce qu'elles se doivent de partager leurs habitats avec les communautés locales et doivent également batailler avec elles pour l'espace et pour les ressources naturelles. C'est le cas à Dingazibanda et Tondikangia dans le département de Balayara. Dans ce forum, nous allons chercher à comprendre comment prévenir et gérer les dégâts causés par les girafes et les éléphants sur les productions agricoles des populations de Balayara, mais aussi les solutions envisageables. Pour ce faire, nous avons dans ce studio capitaine Abdouza Koudauda, il est adjoint au directeur départemental de l'environnement de Balayara. Nous avons également M. Hassan Magaji, membre de l'Association pour la sauvegarde des girafes au Niger. Nous avons toujours dans ce studio M. Hamma Ibrahim Ali, membre du réseau de la Chambre régionale d'agriculture. Nous avons toujours dans ce studio le représentant du chef de canton, M. Mahmoud Soumaïla. Merci d'avoir accepté l'invitation du studio Kalangou. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre euh, un entretien que nous a accordé le chef de village de Tibankawal sur euh, des dégâts causés par des éléphants récemment au niveau de son village. Je m'appelle Abdoukouya. Je suis le chef de village de Timbarkawal et j'ai été victime des dégâts causés par les éléphants. Quand j'ai constaté les dégâts, j'ai envoyé quelqu'un pour informer le préfet et le responsable de l'environnement de notre localité. J'étais à mon tour chez le maire et le responsable départemental de l'agriculture pour les informer. Le maire m'a dit qu'il est parti voir les dégâts. Les gens, à leur tour, m'ont dit qu'il était à bord d'un véhicule et ils se sont arrêtés dans un coin où ils pouvaient apercevoir les dégâts. Les éléphants ont causé d'énormes dégâts sur nos productions de mil, de sorgho et de niébé. Il y a des endroits où ils ont brouté tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Je ne peux pas te dire exactement sur combien d'hectares ils ont causé des dégâts, parce qu'ils ont fait le tour de nos champs. C'est à plusieurs niveaux qu'ils ont piétiné ou arraché des semis. Nous les avons aperçus dans nos champs à 8 heures du matin et il a fallu 20 heures le soir pour qu'ils quittent cet endroit. J'ai dû négocier les gens pour qu'ils quittent mon champ afin de permettre aux éléphants de s'en aller. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais les gens de l'environnement nous disent qu'ils viennent de Tamou ils sont passés par Kouré, puis Kogori, avant d'atterrir chez nous. Je ne sais pas s'ils sont perdus ou s'ils sont à la recherche de nourriture. Moi, j'ai juste interpellé les populations sur le fait que ce sont des animaux protégés et qu'ils ne doivent pas les toucher. Aussi, j'ai suivi la voie normale pour ne pas subir les rigueurs de la loi. Autrement dit, j'ai appelé les autorités pour qu'elles viennent constater d'elles-mêmes les dégâts causés par ces animaux. Je n'ai pas été dédommagé. Pourtant, ces éléphants m'ont causé beaucoup de tort. Certes, c'est la première fois que ces éléphants ont détruit nos récoltes, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas été dédommagés. Nous allons revenir dans ce studio pour continuer ce forum. Quelle réaction l'intervention du chef de village de Tibankawel suscite à votre niveau Nous allons commencer par vous, capitaine Zakou. Merci, madame. Donc, euh, par rapport aux dégâts causés par les, éléphants. C'était euh, récemment cette année, ça n'a pas duré. Donc dès que nous avons eu l'information de la présence de ces éléphants, on était parti au niveau du préfet pour euh, faire le compte rendu. Après, nous avons procédé à une mission de constat. Nous étions partis à Timbarkowan et dans les environs de 7 heures du matin, on a constaté effectivement qu'il y a deux éléphants, mâles et femelles. Donc après, nous avons constaté que la population du village, ils se sont mobilisés, ils sont à côté de ces éléphants. On les a sensibilisés parce que c'est des animaux qui ne causent pas facilement de dégâts pour attaquer la personne humaine sans que tu puisses pas les provoquer. Donc nous avons demandé à la population d'être vigilante, de ne pas s'approcher de ces animaux parce que nous avons eu un cas vers Karma où un éléphant, il y a quelqu'un qui a dérangé trop l'éléphant et puis l'éléphant l'a tué. Donc c'est des choses à éviter. Donc il faut éviter les morts d'hommes si c'est possible. Après, on était parti chez le chef de village. Nous avons fait des entretiens avec le chef de village nous l'avons dit que une fois que la population ne s'approche pas de ces éléphants, ces éléphants vont continuer leur chemin et ils ne vont pas faire de, assez de dégâts. Malheureusement, après notre départ, il y avait beaucoup de monde qui se sont mobilisés de la ville de Balayara pour prendre des véhicules et ils étaient partis là-bas dans le champ pour des observations. C'est la masse là qui a fait en sorte que les éléphants ont beaucoup plus duré dans le champ du chef de village de Timbarko parce que ça a créé beaucoup de problèmes au niveau des, récoltes, des dégâts. Mais à partir de 20 h au moment où il n'y avait pas assez de monde, ces éléphants ont continué leur chemin. C'est un peu ça l'effet tel que ça s'est passé. Je vous remercie, Monsieur Mamadou Soumela. Quelle réaction l'intervention du chef de village de si c'est à votre niveau, quand on sait qu'il fait partie des victimes de ces dégâts Donc, euh, on a écouté l'intervention du producteur qui a été victime par ces animaux sauvages qui sont protégés. L'on doit se dire aussi que l'être humain est sacré. Si les animaux sont protégés, l'on doit avoir aussi un regard sur la vie du producteur. C'est un travail de longue haleine que ce producteur fournit pour arriver à sa production. Un animal vient, il saccage donc cette production et ce producteur, tel qu'on l'a écouté, il n'a d'autre chose à faire qu'informer la hiérarchie. Ce qu'il a fait, tel qu'on l'a écouté, il a informé le maire, son chef de canton, ce qui est normal, le préfet. Mais à sa grande surprise, il n'y a pas eu de réaction contraire dans le sens de l'aider. Et sa production est partie en fumée par ce dégât de ces animaux, selon lui. 200 bottes, il a l'habitude de récolter. Il n'a récolté que 30 bottes. Ce qu'il a perdu, sa perte est quand même énorme par rapport à ses dégâts. Donc l'État doit mettre en place une structure qui doit alléger la tâche à ses producteurs en voulant les aider matériellement pour une compensation. Je vous remercie. Monsieur Hamma Ali Ibrahim, quelle réaction euh, Vraiment, on a écouté ce monsieur, un vraiment qui a été victime de ce saccage causé par des animaux de la faune sauvage, sont protégés. Vraiment, je rejoins un peu ce que euh, le représentant du chef de canton a dit. Vraiment, le monsieur, il a a fait son travail. Dès lors qu'il a constaté les dégâts, il a signalé ça au niveau des autorités compétentes. Nous, maintenant, à notre niveau, c'est qu'on doit dire vraiment, doit y avoir un feedback, par exemple, un retour vraiment, une réponse par rapport à ces dégâts, vraiment pour compenser, indemniser au moins ce monsieur qui a l'habitude d'avoir 200 bottes, n'a que 30 bottes. Vraiment, c'est quelque chose vraiment à revoir. Donc, au niveau des partenaires, s'il y en a, de faire euh, le lobbying pour que ces gens-là puissent rentrer dans leurs droits. Je vous remercie. Monsieur Hassan Magaji, quelle réaction l'intervention du chef de village de Tibanka Merci de nous avoir invités, de nous avoir donné la parole. Donc, euh, vraiment, euh, on comprend parfaitement la réaction du chef de village suite aux dégâts des éléphants au niveau de ces cultures. Mais euh, entendre ces, dires, on sait que vraiment c'est une chose de très étrange. C'est surtout ce qui a préoccupé les gens. Les gens ne s'attendaient pas. Ces éléphants-là étaient venus à une période où vraiment les, les cultures ne voulait même pas les pieds des hommes, à plus forte raison des pieds des animaux sauvages qui peuvent vraiment les anéantir. Donc euh, vraiment sa réaction, il a suivi le processus d'information et il y a eu aussi la réaction prompte des autorités chargées de ces questions-là. Maintenant, c'est de voir ensemble comment est-ce que des situations pareilles là, on puisse vraiment voir les voies et moyens à suivre pour les contrecarrer d'une part et d'autre part si ça advient, voir comment il faut les gérer à l'interne pour que vraiment chacun se voir euh, pas du tout lésé. Et nous allons continuer ce forum et dans la première partie de ce forum, nous allons chercher à savoir les raisons qui ont poussé ces espèces à protéger à quitter leur euh, zone pour aller dans des zones de prédilection ou d'autres horizons. Capitaine Zaku, expliquez-nous d'où proviennent ces girafes et ces éléphants qu'on rencontre dans la localité de Balayara, plus précisément à Dingazi et Tondikangia. Par rapport aux éléphants, comme d'habitude, hein, euh, les éléphants ne viennent pas ici facilement. Parce que ont fait un retour en arrière, 20 ans, personne ne va dire que des éléphants sont venus leur faire des dégâts. C'est des éléphants, c'est des animaux sauvages qui vivent au niveau du parc W. Donc maintenant, ils ont migré. De là, au moment où ils ont quitté, nous avons leur position à courir. Après, ils ont fait leur descente au niveau du lit d'Alol, plus précisément ici à Balayar. Donc c'est des animaux que d'habitude ne descendent pas, ils ne viennent pas par là. Ce n'est pas la même chose en les comparant avec les girafes où c'est une cohabitation qui vit dans les champs des, cultures. Donc voilà, il y a une nette différence, le cas de la cohabitation girafe et ces éléphants, probablement c'est la rareté de la ressource qui, a fait en sorte que ces éléphants se sont déplacés pour, pour venir chercher de quoi manger. Mais ce qui nous a étonné, généralement pendant la saison de pluie, les éléphants eux-mêmes évitent de descendre au niveau du lit d'Idalol parce que euh, au niveau du lit d'Alol, pendant la saison de pluie, ils peuvent avoir des éboulements, des cassures et autres. Et le terrain n'est pas favorable pour le déplacement de ces éléphants. Donc, c'est qui est sûr, probablement, il y a quelque chose qui s'est passé et qui a fait en sorte que ces éléphants se sont orientés au niveau du lit d'Idalol. Mhm. Et en temps normal, quelles sont les zones réservées à ces animaux Ces animaux vivent dans le parc du W, spécialement leur terroir, c'est au niveau du parc du W. Leur habitat, c'est au niveau du parc du W. La girafe, eux, ils vivent avec nous. Comme d'habitude, ça fait plus de 30 ans, 40 ans, où les gens de la localité ils savent que cohabitent avec les girafes. Et ces animaux, vous venez de le dire à l'instant, ils vont à la recherche de nourriture, ce qui les amène à aller vers d'autres horizons. Quelles sont leurs zones de prédilection Ces animaux, au niveau de leur migration, généralement, quand on prend pour le cas des girafes, il ne vu que entre le plateau ouest et le plateau est du Lili toute la ceinture là, en le prenant de courir en tendant vers la frontière du Mali, ces animaux, c'est là où ils vivent pendant la saison de pluie sont sur le plateau, soit sur le plateau est ou bien sur le plateau ouest. Et pendant la saison sèche, ils descendent au niveau du lieu du Dalol parce que c'est là où l'eau est disponible. À votre avis, qu'est-ce qui pousse ces animaux à causer ces dégâts Nous allons d'abord évoquer le cas surtout de la girafe. Pour le cas de l'éléphant, c'est pas facile d'avoir. En 20 ans peut-être, les éléphants vont descendre ou bien dans 15 ans. C'est pas facile. Donc pour le cas de la girafe, c'est qu'il faut aussi retenir surtout de la girafe que c'est une ressource pour le Niger. C'est une fierté pour le Niger. Le Niger est le seul pays parmi les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest qui dispose de la girafe. Et ça, je pense que c'est beaucoup de choses. Maintenant, si nous revenons au niveau de la dégradation de l'habitat de la girafe, si nous prenons les espèces appétées par la girafe, c'est les acacias sénégal, c'est les acacias nilotica, zizifis modifiana. Donc ce sont ces espèces, les espèces épineuses. C'est ça que la girafe mangent comme habitude alimentaire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui les pousse à s'intéresser aux productions agricoles la dégradation de ces ressources-là, la rareté de cette ressource et l'évolution aussi de l'effectif de la girafe qui était de en 1990 à presque une trentaine, en 2007 à jusqu'à 612 girafes, l'effectif de girafe a augmenté. La ressource disponible pour l'alimentation de la girafe a considérablement chuté. Les zones où les girafes vivaient avant, les actions anthropiques, le recours aux champs là, toute cette zone-là, avec la démographie, ça fait en sorte que les gens ont transformé ces terres en terres de culture. Donc c'est la combinaison de tous ces facteurs qui a fait en sorte que l'habitude alimentaire de la girafe évolue. Et l'évolution, les girafes ont plus tendance à s'attaquer aux, aux récoltes des champs et c'est ça qui fait le problème au niveau de la cohabitation. Je vous remercie, Capitaine Zakou. Nous allons revenir vers vous, Monsieur Hassan Magaji. Pourquoi dit-on que les girafes et les éléphants sont des espèces protégées Les espèces protégées, ça c'est vraiment une loi d'État. Toute espèce rare est normalement protégée par euh, des lois. Donc pour le cas de la girafe, on sait que c'est vraiment une espèce qui est très rare, même en Afrique de l'Ouest. Le capitaine vient de le dire que c'est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest où vivent ces girafes qui sont vraiment aussi en liberté. Et c'est ça qui suscite même la visite des, touristes qui quittent leur pays pour venir uniquement dans le cadre de ces girafes-là. Et c'est ce qui fait qu'ils créent aussi ces partenaires-là qui viennent, ils créent un partenariat avec certaines structures, dont nous, par exemple, nous avons des partenaires au niveau de ces euh, gens qui viennent de l'Europe, qui viennent visiter ces girafes. Et à notre tour, en tant qu'association qui lutte pour la sauvegarde des girafes, on dit que vraiment, vu pour parfaire la cohabitation homme-girafe, comme euh, le capitaine vient de le dire et dit, à la rareté de la ressource, à la concurrence entre les ressources, les hommes qui, évidemment, en dehors même de la poussée démographique, même pour des besoins d'élevage, vraiment, on, voit clairement que les gens vraiment s'en prennent aussi à l'habitat de la girafe. Donc il y a cet aspect. Dans le cadre de la cohabitation de ces girafes avec les communautés, nous, en tant qu'association, on essaie vraiment de, sensibiliser les communautés pour qu'elles chassent que vraiment c'est une ressource du pays. Et une ressource, qui dit ressource du pays dit ressource d'elles-mêmes les communautés et que tout le monde doit contribuer à sa sauvegarde. Et en plus des actions de sensibilisation, quelles autres actions vous menez pour que leur protection soit effective En dehors de la sensibilisation que nous menons fréquemment et permanemment au niveau de nos zones d'intervention, nous avons aussi des actions de développement que nous finançons avec l'appui de nos partenaires, que nous finançons au profit de ces communautés. Donc on, on passe de l'appui organisationnel pour mettre en place des structures formelles après tout, au prolata des appuis que nous recevons de nos partenaires, on appuie aussi ces communautés qui vivent avec ces girafes avec des petites actions de développement, notamment les activités génératrices de revenus en matière d'appui à la production agricole, l'appui en semences, en engrais. C'est des choses que nous faisons au niveau de la zone de Fondou depuis environ plus de 10 ans. Mais certes, nos moyens sont limités, on ne peut pas aller partout et couvrir tout le monde, mais quand même, on fait de nos mieux pour que ces gens-là puissent savoir que malgré que la girafe provoque des dégâts, on peut aussi profiter de la présence de ces girafes au niveau de leur zone. Merci, M. Hassan Magaji. Hamma Ibrahim Ali, nous allons revenir vers vous. Depuis quand ces animaux ont commencé à fréquenter la zone de Balayara, particulièrement les zones de Dingazi et Tondikangia euh, Par rapport aux éléphants, on a reçu l'information aux environs du mois d'août. Donc, euh, cela s'explique par l'abondance des pluies pendant cette période-là. Donc, euh, c'est pendant cette période-là, nous, on avait vraiment reçu ces alertes-là. Comme on l'avait écouté tout à l'heure, les producteurs, ça a circulé. Vraiment, les gens, parce que c'est une nouveauté. ma personne, j'ai jamais vu même un éléphant. Donc, euh, vraiment, ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, WhatsApp et Facebook. Donc, euh, et que les autorités sont au courant de, tout ce qui s'est passé. Vraiment, comme euh, l'a dit monsieur du projet ASGN, par rapport aux éléphants, vraiment, c'est vraiment de voir dans quelle mesure on peut vraiment aider en compte Voilà, ces producteurs chercher des, des PTF, euh, des, projets qui sont Nous allons revenir sur cette question. Et à votre avis, les girafes, depuis combien de temps ils ont commencé à fréquenter ces zones de Dingazi et Tondikangia Vraiment, ça, ça a duré. C'est vraiment euh, le dalol et vraiment leur nid. Quand vraiment les, euh, les ressources se font rares, donc vraiment ils remontent. Ça, je ne peux pas vous donner une date exactement, mais je pense que je sais que ça a duré. Et depuis longtemps, c'est leur itinéraire comme ça et quelle est la nature des dégâts causés par ces espèces protégées sur les productions agricoles des populations de Balayara, notamment d'Ingazi et Tondikangia. Voilà, la nature des dégâts causés qu'on a souvent enregistrés, c'est vraiment, euh, comme l'avait dit euh, monsieur, euh, c'est la rarité des espèces vraiment appétables par ces, girafes. Et le nombre aussi. Et souvent, même pas, ils ne s'attaquent pas seulement directement aux cultures, même leur marche leurs itinéraires peuvent vraiment causer des dégâts. C'est vraiment, en somme, ce qu'on a pu avoir comme dégâts qu'ils enregistrent au niveau de ces S'il n'y a pas assez de nourriture, on ne doit que se contenter de ce qu'on a. Souvent, ils broutent, souvent aussi, ils piétinent vraiment, surtout s'ils se déplacent en nombre. Et à combien d'hectares on peut estimer les dégâts causés par ces animaux euh, Ça, c'est une information que vraiment, à mon niveau, je ne possède pas. Je ne peux pas vous dire exactement voilà, le nombre d'hectares et Avant-hier, on a essayé d'enregistrer euh, avec le CDA et le communal de, de forêt de Damana pour avoir une idée de ces estimations-là. Malheureusement, il était en déplacement, on n'a pas pu avoir ces informations. Il n'y a pas un cadre chargé du suivi de ces dégâts causés par ces espèces en voie de disparition sur les productions agricoles Vraiment, à ma connaissance, on n'a pas ce cadre. Il n'y a que ce projet euh, qui est au niveau de du ASGL là qui s'occupe vraiment de ça. Euh, à part ça, je n'ai pas connaissance d'une structure vraiment calée qui est là pour appuyer vraiment les producteurs par rapport à ça. Hamou ah, Ibrahim, merci. Monsieur Mahmoudou Soumela, comment en tant que représentant de chef de canton de Tandikangia, vous percevez les dégâts causés par ces animaux sur la production agricole des populations Ces animaux sauvages qui circulent à l'intérieur donc des zones de production souvent causent énormément de dégâts. Certes, les éléphants ont fait leur apparition cette année et ils ont un peu pénétré la commune de, de mais sans pour autant aller loin à l'intérieur du, canton. Ils ont fait de la commune, ils ont fait demi-tour. Mais leur présence et leur séjour a occasionné des dégâts au niveau des champs de sorgho, selon les informations, au niveau des champs de mil et du niébé. Donc, euh, ces animaux ont causé des dégâts sur ces trois sortes de cultures. Et quel impact ces dégâts peuvent avoir sur la vie des populations ou des producteurs agricoles Et Ces dégâts peuvent affecter donc euh, le rendement de, ces producteurs. Ça affecte, comme nous l'avons écouté, le paysan de tout à l'heure, de, 200 bottes, il est arrivé à 30 bottes seulement. Donc, euh, partout ailleurs, si ces animaux séjournent au niveau des, des zones aussi longtemps, ces animaux allaient causer beaucoup plus de dégâts partout. Mais heureusement pour ces producteurs que leur séjour est bref. C'est un bref séjour, mais qui occasionne quand même des dégâts et souvent considérables. Et quelle est la contribution de la chefferie traditionnelle dans la gestion de ces conflits Dans la gestion des conflits, la contribution donc euh, de la chefferie, c'est la sensibilisation. La sensibilisation au niveau des producteurs. On sait que ces animaux sont protégés. On sait que le producteur fournit un effort pour arriver à sa production, mais quand même on le sensibilise pour qu'il n'y ait pas de dégâts au niveau de ces animaux. Quand bien même ils font des dégâts, ils sont appelés à repartir. De l'autre côté, on attire l'attention des producteurs que même s'il y a quand même, même ces, dégâts, il n'y a pas là où vous allez vous plaindre pour avoir des retombées ou bien pour être payé. Les dommages et intérêts. Les dommages et intérêts ne sont pas payés. Maintenant, quitte à savoir dans l'avenir, s'il faut instaurer donc euh, des cadres de réflexion, c'est-à-dire des comités, instaurer des comités au niveau des villages ou des communes qui vont s'occuper donc de la gestion de ces animaux par rapport à les dégâts. Faire l'inventaire de tous les dégâts au niveau de la commune, connaître les superficies, évaluer les quantités donc perdues et voir comment réagir maintenant comment aboutir à un paiement de dommages et intérêts ou assister ces populations d'une manière ou d'une autre. Monsieur Mahmoud Soumela, je vous remercie. Nous allons observer une petite euh, pause avant de continuer ce forum. Nous allons aborder la deuxième partie de ce forum qui porte sur la prévention et la gestion des dégâts causés par ces girafes et les éléphants sur euh, les productions agricoles des populations. Hama Ibrahim, quand les producteurs constatent des dégâts dans leurs champs dus à ces espèces protégées, comment doivent-ils agir euh, Les producteurs, une fois qu'ils constatent ces genres de dégâts, la Chambre régionale d'agriculture a des élus placés un peu partout dans le département et dans la région de Tilabéry. Donc directement, en cas de ces genre d'attaque, ils avertissent directement le consulaire, qui est un élu, qui lui doit remonter cette information. Parce que nous, notre rôle, c'est vraiment remonter l'information aux autorités compétentes pour que après, ils puissent avoir des réponses de d'indemnisation ou bien d'appui. Donc euh, vraiment, c'est ça en fait euh, la réaction. Est-ce que vous attirez l'attention des producteurs sur le fait que ces animaux sont des espèces protégées et les risques euh, auxquels ils s'exposent en voulant se faire justice eux-mêmes Effectivement. Et là, parce que c'est des espèces protégées, parce qu'on a on rencontre des litiges souvent entre producteurs et éleveurs. Donc il y a souvent certaines pratiques, certaines actions vraiment à éviter au niveau de ces espèces-là. Bien que même dans l'autre cas, ce n'est pas à encourager. Un producteur, vraiment, il vient, il trouve des animaux dans son champ, c'est écœurant. Maintenant, au lieu de l'amener aux fourrières, il décide de l'abattre. Et là, les espèces protégées, là, ils doivent savoir que clairement, non. Quand tu vois ces genre d'attaque, vraiment, tu ne peux que laisser tomber et venir déclarer au niveau des autorités compétentes. N'empruntez pas la voie d'essayer de, de capturer l'animal ces espèces protégées-là, vraiment, ah, il y aura des impacts sur vous. Est-ce que vous avez des exemples de cas où des producteurs se sont attaqués à ces espèces euh, en voie de disparition Vraiment, ici, dans la zone, euh, on n'a pas enregistré ces, ces genres de cas. Et on a vu souvent des producteurs qui s'attaquent, mais là, c'est sous ordre de, de Par exemple, à Tilaberi, on a des hippopotames, quand ça devient dangereux, là, ils interviennent eux-mêmes pour un peu sécuriser la zone. Mais ici, vraiment, à ma connaissance, on n'a pas eu d'informations relatives aux attaques aux girafes, par exemple, dans la commune de Tonnekandia. Quelques exemples de villages ou de communes dans lesquelles ces girafes ou ces éléphants ont causé plus de tort aux populations ou aux producteurs agricoles. Voilà, par exemple, aujourd'hui, euh, pour cette campagne, euh, si on prend les hippopotames, les, en éléphants. Euh, les éléphants, pourtant pour moi, c'est une, une, nouvelle euh, instruction. <laughs> Donc, euh, vraiment, en dehors des girafes, les éléphants, vraiment, c'était une première. Donc, au niveau de Tondikandia, on a enregistré des dégâts au niveau de Bombéry, et Gour à Labo, voilà. C'est là-bas, vraiment, ils ont fait des dégâts qui nous a été remonté. Et aussi, vers Balayara aussi. Donc, on a déjà le témoignage du chef de village de Timbarkouane. Donc vraiment, c'est ces dégâts-là. Pour le girafe, vraiment, ça, ça arrive toujours. Donc c'est des dégâts et, heureusement, ils ne durent pas. Je Je vous remercie. Et Capitaine Zakou, nous allons revenir vers vous. À votre avis, comment il faut prévenir et gérer les dégâts causés par euh, ces espèces à euh, protéger Par rapport à la gestion des dégâts, je pense bien que le premier point, c'est de faire la sensibilisation d'abord de la population. Une fois que la population est consciente que cette ressource, elle, ça l'appartient, ça veut dire que la population aura plus de motivation à s'occuper dans le cadre de la gestion participative. Maintenant, essayer aussi de passer par la promotion peut-être de l'écotourisme, faire en sorte que la population bénéficie assez avec cette ressource. Donc, une fois que ces, facteurs-là sont réunis, je pense bien que la population ne voit pas du tout que la girafe leur gêne. Donc c'est le point le plus, le plus important qu'il faut dégager. Et aussi pour essayer de prévenir les conflits, plusieurs actions aussi que les partenaires et l'État sont en train d'engager pour la gestion de, la prévention des conflits, mettre la ressource et réhabilitation de l'habitat de la girafe. Si c'est l'habitat dégradé. On essaie de mener des actions de restauration de terre en plantant les espèces appétées par les girafes. Ça va plus limiter les dégâts au niveau des champs. Et que prévoit justement les tests sur la protection de ces espèces protégées Oui, ces espèces, nous avons souligné ça. C'est les dernières girafes de l'Afrique de l'Ouest. Seul le Niger en possède. Et dès qu'une espèce tend à disparaître, c'est bien normal que l'État pense à, à, protéger ces espèces pour la génération future. Et c'est ce qui fut fait pour le cas de la girafe. Donc les textes, quel que soit l'animal sauvage, il y a des textes qui, qui protègent ces animaux et que vraiment eh, on ne doit pas s'attaquer à ces animaux. Et si nous prenons pour le cas de la girafe, en dehors de, des dégâts causés par la girafe dans les champs. C'est un animal curieux qui ne dérange pas du tout. C'est pas comme les autres animaux sauvages qui s'attaquent à la personne. Mais la girafe, c'est un animal curieux. La façon dont tu, tu regardes la girafe, elle-même, elle, a tendance à te regarder de cette façon. Maintenant, moi, ce que je pense par rapport au titre euh, CDI, c'est une ressource qu'il faut garder chaque fois. Est-ce qu'il y a des sanctions pénales qui sont prévues par ces textes juridiques Justement, il y a des sanctions. Il y a des sanctions. Ces sanctions existent. Et une fois qu'une personne s'attaque à une girafe, la loi a défini les procédures par lesquelles la personne peut être jugée. Et quelles sont ces procédures nous, élaborons un PV un PV de, de, tout ce qui s'est passé des faits. On transmet ça à la justice. C'est à la justice de faire son travail et ça peut aller à des amendes et des emprisonnements. Est-ce qu'il y a eu des cas de personnes emprisonnées ou amendées au niveau de Balayara Bon, durant mon séjour, il n'y a pas ce cas, mais je suis sûr que euh, <laughs> dans d'autres contrées, <laughs> il y a plusieurs cas qui se sont déroulés par rapport à ça. Quelques exemples je m'en souviens et ça doit être dans la localité de cours et ça a duré. Je m'en souviens, il y a des gens qui sont venus, ils ont abattu une girafe. Euh, et ces gens ont été pris et ils ont été mis à la disposition de la justice. Je m'en souviens, mais je n'ai pas la date précise. Est-ce qu'il existe un cadre chargé d'évaluer et de réparer les dégâts causés par ces animaux protégés au niveau de Balayara Bon, au niveau de Baleara, généralement, s'il y a ce genre de dégâts, nous observons chaque fois des plaintes de la population. Euh, récemment, durant cette semaine, à Yure, au moins, j'ai eu jusqu'à deux appels par rapport aux dégâts causés par la girafe. Nous savons que le Niger ne dispose pas actuellement de textes permettant, une fois qu'il y a eu des dégâts, de dédommager ses producteurs mais c'est des textes qui sont en cours d'être élaborés. Donc euh, c'est un peu ça, mais nous, à notre niveau, dès qu'il y a ces girafes qui font des dégâts, ce que nous allons faire, c'est de faire le constat. On fait le constat, après le constat, transmet ce constat à nos supérieurs, donc pour qu'eux-mêmes soient au courant de ce qui se passe. Mais véritablement, il n'y a pas de texte actuellement qui va permettre aux producteurs, une fois victimes d'attaques de ces animaux au niveau de leur culture, en tout cas d'être dédommagés. Et de manière informelle, il n'y a pas de ressources disponibles pour assister ces producteurs S'il y a, y a, y a des, des, ressources parce qu'à travers plusieurs projets et ONG de la place. Ces ONG et projets sont en train d'accompagner les producteurs de la zone girafe. Et si nous prenons, il y a des recrutements souvent d'éco-gardes au niveau de ces zones où chaque éco-garde bénéficie, on leur paye à la fin de chaque mois. Et il y a des projets qui existent sur cette forme. Il y a aussi souvent dans des zones où les gens ont des structures bien organisées, et qui profitent assez euh, de, ces girafes. À travers l'écotourisme, des gens s'y viennent, ils gagnent. Ah, ces structures existent un peu partout. Bon, ici à Baleyara, en tout cas, jusqu'à présent, à l'heure actuelle, il n'y a pas de structure qui, s'occupe véritablement euh, pour pouvoir avoir les retombées euh, de, ces girafes. Mais si nous prenons le cas du temps ils ont une association qui aide les producteurs et si nous prenons aussi au niveau de, la commune rurale de Kouré, il y a, la commune bénéficie beaucoup. Il y a plusieurs guides qui sont des chefs de famille qui profitent. Il y a des missions, la population aussi, le commerce c'est très développé. C'est très développé là-bas. J'ai écouté sur Télé Sahel et ça fait pas longtemps où ils ont ils sont en train d'élaborer un projet où dans la zone girafe peut-être ils vont faire des hôtels et autres pour développer l'écotourisme. Donc tout ça là, c'est des choses qui profitent à la population. Et ce sont ces arts d'innovation qu'il faut essayer de faire dans chaque commune parce que maintenant les girafes, ce n'est plus les girafes de Couré seulement. Les girafes se trouvent un peu partout. Donc c'est la mobilisation, l'engagement de la population locale qui va faire en sorte que la population puissent en bénéficier assez. Je vous remercie. Hassan Magajin, en tant que structure chargée de protéger ces espèces, quelles sont les actions que vous mettez en œuvre pour amener les populations à ne pas attaquer ces animaux en cas de dégâts Merci beaucoup. Pour promouvoir vraiment une bonne collaboration homme girafe, le cadre idéal, vraiment, c'est la sensibilisation. Nous passons par la sensibilisation, qui est vraiment notre leitmotiv de tous les jours pour que les gens cela puissent vraiment euh, s'occuper de ces girafes, faire de ces animaux-là une propriété. Et en dehors de ça, euh, nous, à notre niveau, comme je viens de le dire, on fait vraiment l'appui la au développement local. Notamment, on met en place des structures qui, à court, moyen ou long terme, peuvent vraiment se s'organiser et profiter de cette, certains appuis des partenaires. Et nous aussi, de notre côté, on met en place des activités génératives de revenus au profit de ces communautés qui sont organisées pour que vraiment, d'un côté, ils tirent un minimum de profit de la présence de ces girafes. Dans le cadre de la production agricole aussi, au moment opportun, nous donnons des appuis ponctuels au niveau des producteurs de la zone où les populations habitent avec ces girafes pour qu'ils puissent au moins avoir quelque retombé lié à la présence de ces girafes. Mais en matière de prévention, vraiment par rapport aux dégâts des girafes, vraiment euh, euh, la, solution que nous développons au niveau de ces populations, c'est vraiment la sensibilisation qui passe par l'accélération des récoltes, parce qu'au moment où les girafes la descendent, vraiment la, seule issue, c'est d'accélérer les récoltes et de ne pas stocker les récoltes au niveau des champs de les acheminer à domicile pour éviter. Parce que c'est des animaux qui sont libres. Même les animaux domestiques qui sont conduits par des bergers provoquent certains dégâts quelque part, à plus forte des animaux sauvages qui sont libres, qui sont en liberté. Donc le mieux, c'est vraiment la prévention et qui passe par vraiment accélérer les récoltes, acheminer les récoltes au niveau où elles seront protégées. Et de l'autre côté, on n'a pas voulu faire la promotion des comités chargés de la gestion ou bien du suivi de ces dégâts, parce que comme le dit le capitaine, il n'y a pas de test de dédommagement. Une fois qu'il y a un comité qui est mis en place, qui va évaluer, qui va tout faire, les gens vont se mettre en tête qu'il y aura quelque chose. Alors que vraiment, jusque-là, il n'y a pas quelque chose qui est prévu dans le cadre de ces dommages intérêts. Quel changement votre intervention a eu sur euh, la vie des populations et même des girafes et Par rapport à la zone de Fandou où on a servi pendant plus de 10 ans, pendant au moins 10 ans, je crois qu'il y a eu des reportages au niveau de vos antennes où des populations interviewées ont vraiment témoigné des appuis qu'elles ont reçus de la part de nous, associations qui luttons pour la sauvegarde des girafes. Parce que, eh, même si on fait un échantillon, parce que je parle d'une trentaine de villages dans le seul secteur de Fandou. Parce que la plupart des dégâts qui sont signalés au niveau des médias proviennent de la zone de Dengazi où nos actions ne sont pas encore parvenues. Mais pour la zone de Fandou, les sensibilisations et les appuis que nous avons apportés de notre manière on fait en sorte que les gens, on ne dit pas qu'il n'y a pas de dégâts, et on ne dit pas que les gens ne sont pas sensibles aux dégâts, mais les gens se voient aussi en contrepartie, ce qu'ils reçoivent dans le cadre de la cohabitation avec ces girafes. Je vous remercie. Monsieur Mahmoud Soumaïla, nous allons revenir vers vous. Est-ce que au niveau de la chefferie traditionnelle, il y a des actions que vous mettez en place pour alléger la souffrance des producteurs victimes de ces dégâts Merci. Il y a des actions. Les actions sont axées sur la sensibilisation, la sensibilisation des producteurs pour euh, pouvoir alléger donc euh, les dégâts au niveau de leur champ. Tout comme l'a dit l'autre tout à l'heure, une fois récoltés, les populations sont exhortés à ne pas laisser leur production à découvert. Ils doivent les mettre à l'abri ou transporter au village ou mettre dans un grenier ou même sous le grenier caché quelque part où ces animaux ne peuvent pas de passage apercevoir le tas de récolte et s'attaquer là-dessus. Tout comme euh, nous le savons, ce qui est en train de se passer, quand on regarde depuis les années 60, à nos jours, la population est en train de croître. Il y a une démographie qui est galopante qui est là. Et de la même manière, le nombre d'animaux aussi en train de se développer. Avant, le capitaine l'a dit, il y avait un nombre trop restreint au niveau du parc. Maintenant que le nombre est élevé, c'est normal que les animaux quittent le parc pour chercher une abondance de vie. Et c'est une concurrence sur la même superficie. Les superficies de la terre n'augmentent pas. C'est les mêmes superficies. Augmentation des producteurs, augmentation du nombre d'animaux. Et les superficies sont, sont augmentées au profit des producteurs, de producteurs, de sorte que l'aire de pâturage de ces animaux, c'est vraiment réduit. C'est vraiment réduit. Donc, réserver les aires de pâturage à ces animaux, faire en sorte que ces aires de pâturage, ce qu'il y a, les espèces au niveau de ces, de de ces aires se développent croissent et ne pas les abattre de manière anarchique. Merci, Monsieur Mamoudou. Vous venez de euh, commencer avec les pistes de solutions. Et pour finir, nous allons aborder ces pistes. Capitaine Mamoudou, à votre avis, comment faire Quelles sont les propositions et suggestions pour une meilleure cohabitation entre ces espèces en voie de disparition et protégées et les populations aussi agricoles euh, euh, Par rapport à, la cohabitation faune sauvage, et, plus précisément pour le cas de la girafe, et la population. Et le plus important ici, c'est que la population ait en tête que vraiment cette ressource les appartient. Et quand quelque chose t'appartient, tu dois t'occuper de ça. C'est la meilleure solution. Quelque chose que tu en disposes, que l'autre n'a pas, c'est une ressource. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est le cadre de la gestion participative. Le second point, pour le cas... Euh, des zones de l'habitat dégradé, c'est de mener plusieurs actions pour permettre à ces animaux de restaurer euh, l'habitat dégradé, pour les faire rester sur les, ces zones-là, que de s'attaquer au, niveau des champs de culture. D'autres actions aussi, c'est d'accompagner ces producteurs de la zone girafe à travers des ONG et des projets qui va faire en sorte que cette population soit jalouse de ces girafes. Parce qu'aujourd'hui, il y a en tout cas plusieurs villages que les gens ils ne veulent pas qu'on s'attaque à ces animaux. Ils sont édifiés sur l'importance de ces girafes. Ils les protègent comme les gardes forestiers. Donc ce sont ces genres d'actions que l'État est en train et ses partenaires sont en train de faire pour pouvoir accompagner la population. Il y a aussi des textes que l'État veut élaboré pour pouvoir dédommager le producteur en cas de, en cas de dégâts. Merci. Monsieur Hassan Magaji, quelles propositions et suggestions pour une meilleure cohabitation entre population et girafes et récemment les éléphants aussi D'accord. Donc vraiment, euh, pour euh, solution envisageable en vue de parfaire euh, vraiment la cohabitation homme-girafe, c'est vraiment faire en sorte que les communautés s'approprient de la ressource comme le dit le capitaine, que les gens chassent que vraiment cette ressource est une ressource national et qui appartient à tous les citoyens du pays. Par conséquent, tout le monde doit contribuer à sa sauvegarde. Une autre action concrète, c'est vraiment de diversifier les partenaires pour que les communautés les soient accompagnées pour euh, vraiment euh, parfaire encore davantage la coopération entre les hommes et les girafes. Et plus loin, dans le cas de, parce que la désertification pose problème au niveau de l'habitat de la girafe, c'est vraiment de mener des actions de sensibilisation pour, d'une part, protéger ce qui existe, notamment la régénération naturelle assistée, et aussi promouvoir aussi des actions de plantation d'arbres au niveau de cet habitat pour pouvoir renforcer vraiment l'habitat pour que ces girafes-là puissent être maintenues. Parce que comme le dit le, capitaine, vraiment aujourd'hui, si vous tombez dans des villages, les gens la chassent que cette girafe-là les appartient et qu'ils sont très vigilants pour pouvoir aider à sa conservation. Donc s'il y a des appuis qui sont apportés à, ces communautés-là, ils vont encore se l'approprier et contribuer plus à sa sauvegarde pour que ça puisse être vraiment une ressource vraiment conservée. Merci, Monsieur Hamma Ibrahim. Merci beaucoup. Euh, donc euh, vraiment, comme euh, ce que mes prédécesseurs ont dit, vraiment c'est de renforcer la sensibilisation par rapport à la question des espèces protégées, mais également au profit des producteurs. Vraiment, pour encourager ou bien maximiser vraiment les partenaires vraiment à s'intéresser à la question. Donc, euh, vu qu'il n'y a pas eu d'indemnisation prévue par rapport à ça, vraiment, on ne peut qu'encourager l'État à aller dans ce sens, avoir le maximum de partenaires. Vraiment, avoir le maximum de partenaires qui s'intéressent à ça. Par, avant, d'autres projets l'ont eu à faire. Par exemple, si je prends le cas d'un partenaire au niveau de la CRA Travail, la Chambre régionale d'agriculture travaille avec des partenaires qui travaillent dans des sites, dans des villages. Donc, quand il y a une question qui est là, le projet, il prend en compte certaines euh, choses, même si ce n'est pas vraiment l'objet de son intervention. Au cas du Covid-19, on l'a eu. Ils ont appuyé, on était dans le maraîchage, ils ont appuyé les, les, euh, la population, avoir les kits et autres. Et là aussi, c'est encouragé. Nous encourageons vraiment ces projets-là, quel que soit leur type d'intervention, dans des villages. Vraiment, s'il y a des cas sociaux qui se présentent, ils doivent vraiment s'investir et aider la population. Vous voulez dire l'assistance Voilà, l'assistance. Même si, par exemple, même si le projet n'intervient pas dans la petite irrigation ou bien dans euh, l'agriculture en, en, un mot, par exemple, Anima Sutra, les KFW, tout ça là, s'il y a des actions pareilles, ils peuvent aider le village parce que c'est leur zone d'intervention. Vraiment, on appelle tous ces projets et programmes qui, qui optent pour le développement rural, vraiment de s'intéresser, même si ce n'est pas leur euh, objectif, si ça frappe le village ou bien la zone, peut faire vraiment des dons. Merci. Monsieur Mahmoud Soumaïla, vous avez quelque chose à ajouter eh Oui, pour y pallier à tout cela, je crois qu'il est temps que les gens créent des petits comités donc de suivi au niveau de tous les villages où passent ces animaux, non seulement pour la sauvegarde de ces animaux, et puis pour sensibiliser davantage les producteurs de l'intérêt qu'apportent ces animaux pour la communauté. Et aussi sensibiliser les producteurs dans la protection de l'environnement, notamment les épineux qui sont appétés par ces animaux. C'est-à-dire les épineux, ne pas les dévaster lamentablement Fidèles auditeurs et auditrices du studio Kalangou, c'est sur ces propositions et suggestions que s'achève le forum d'aujourd'hui qui a porté sur comment prévenir et gérer les dégâts causés par les girafes et les éléphants sur les productions agricoles des populations de Balayara, particulièrement de Dingazi et Kandia. Merci et au revoir.